Avec un, un Soussou, qui perd ce ballon, é que é récupère Sadio Mané. Meignan m'a décroché, Gaël contre mon corps, ballon de Valgué, il est au corner encore. Meignan m'a décroché, Dirsi Valgué, Gaël contre mon corps, Valgué au corner. Petite blessure sur Malao, Ismaël Assas, Bouguet Assas, Mané, Bouguet, é que je suis La température, j'attendais. Voilà, ah, bien entré dans le match. Voilà, pour Sadio, nous devons mi ah, je pense que ñoom ils peuvent mieux faire quoi xam nga waa deuxième mi-temps bi ñu deux buts yooyu euh, ñu bàyyi ñu bàyyi beneen équipe adverse bi di dugal beneen bii noonu xam nga. da nga doon xaar waaw ay 2-0 yooyu la su ma nee 3-0 day kii day metti si ñoom moo tax nañ def 2 rek bu ñu yaruwee. léegi ah, laa xaar ci deuxième bi. ah bi ils peuvent plus ñu joxe lu leneen lu ñu mën quoi waaw waaw. waaw match bi moom neex na saf na mais euh, mun naa ne gisuma ci lu bari quoi parce que dama gisay très coupé par bi man supporter laa. il a négocié pour Zibi lay moo tax mais d'après après écho yi match bi tàng euh, bien Alhamdoulilah. Jusqu'à amna ben bi bo boo c'était imprévu mais bon santé Yalla, espérons que dinañ dolé yeneen ñaar muy 3-1 et puis voilà. mais le mieux le mieux mieux aujourd'hui euh, moy ñu fexé ñu gagné. il faut aussi qu'on soit prudent. donc affaire bi dafa war a équilibré dal. man loolu la gissé deuxième mi-temps bi. ah premier mi-temps bi. dañ dem bi ci biir ñale dugal mais ça s'est bien passé moom. non non waaw bi nañ dem.

Oui, très étonné. Moi, je pensais qu'on allait les battre 5-2 ou un truc du genre, ou bien 5-0, je ne sais pas. Mais bon, les Japonais sont petits et rapides. Hein. Donc, euh, mais bon. Déçu. On a, ça va, on n'est pas. Ça, a un goût de défaite. C'est ça en fait, ça a un goût de défaite, mais de défaite, mais c'est pas une défaite. On a bien joué, on n'a pas démérité. et Barawatch.